Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour euh, du mercredi 20 septembre 2023 lii nag dañuy dem fële nga xamante ni à euh, cour de la justice de la CEDEAO xam ngeen ni que pôle d' bi nga xamante ni n'y défendre kii Ousmane Sonko yóbbuwoon nañ fa ñetti requête ci biir requête yooyu nag de na yoo xamante ni ñu ngi ko doon ñaawlu di ko plaidoyer ki ko jiite di maître Clédor Ly bokk ci pôle d' yi ki nga xamante ni Ousmane Sonko déposé nañ fa daal ay plaidoiries yi suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni avocat Ousmane Sonko yi déposé nañ ko foofu à son nom Requête euh, auprès de la Cour de justice de la CDAO. Il s'agit d'une requête principale euh, contenant l'exposé des faits, les arguments en droit, les demandes adressées à la Cour de justice qu'elle prononce d'une autre demande tendant à obtenir de la demande principale puisse déroger au délai ordinaire et soit jugée avant la date des dépôts de candidature à l'élection présidentielle dans un délai euh, raisonnable qui n'est pas tardive ne compromettent pas à la collecte des parrainages pour le PASTEF et son candidat, le président Ousmane Sonko. En une troisième requête en référé, laquelle tend à obtenir que la Cour de justice se prononce dans un très bref délai dans et dans les 48 heures de sa saisine par son président sur les trois demandes qui ne peuvent attendre et dépasser à la date du 28 septembre 2023 sans que ne soit prise des mesures euh, conservatoires provisoires qui ne tranchent que pas par la différence qui ne préjugent au fond mais présenter les droits et intérêts de toutes les parties, notamment ceux du président Ousmane Sonko du parti Passif ainsi que l'État du Sénégal. Selon un avocat, maître Juan Branco, qui fait partie de ce pôle d'avocats de l'opposant sénégalais, la Cour de justice de la CDAO a donné 30 jours au Sénégal pour répondre aux allégations préparées par mon confrère maître Théodore donc dans le requête de xamante ni dit pôle d'avocat Ousmane Sonko dépose nañ ko faux ca cour de justice lui par rapport à sa saisine ginnaaw bi sous mandat de dépôt ci sept chefs d'inculpation euh, appel à l'insurrection trouble à l'ordre public euh, vol de portable et tout cela Il condamnation a nga condamnation deux ans ferme sur la jeune masseuse Adji a corruption à la jeunesse Ni di avocat Ousmane Sonko c'est une requête déposer. ñu déposé foofu ca Au cours de justice de CEDEAO jox na délai à l'état du Sénégal Madame 30 jours pour que ñu du côté requête yi dit avocat Ousmane Sonko maître Clédor Ly déposer. le y que Ousmane Sonko ñu war jugé qui diiru 30 30 jours avant que ñuy déposer liste candidature yoo xamante ñoo élection présidentielle du 25 février 2024 avant que pour que mu bañ bloquer bloqué parrainage en tout cas liñ ci mën a jàpp suñu sukkandikoo Juan Branco bi il est sous contrôle judiciaire Il a ko lancé un mandat d'arrêt international ñu arrêté woon ko fii euh, Mauritanie ginnaaw loolu bu ko jugé ñu déposé ko sous contrôle judiciaire moom naal xamal na ni cour de justice bu CEDEAO état du Sénégal un délai de 30 jours pour que nous tranchions cette décision bi nga xamante la maître Clédor Dorli, dit pôle d'avocat pour Ousmane Sonko donc y a 30 jours Qui dit Ousmane Sonko war na mën a taxaw ci juge bi ñu